sommes euh, vendredi 2 avril 2021. Euh, Fidèles auditeurs et téléspectateurs des programmes de Studio Kalangu, bonsoir et merci d'être euh, au rendez-vous hebdomadaire du Forum de la presse consacré au décryptage de l'actualité de la semaine avec des confrères du paysage médiatique nigérien. Cette semaine qui s'achève a tout d'abord été marquée par le début au Niger de la première campagne de vaccination contre la maladie à coronavirus COVID-19. C'est le Premier ministre sortant, Brigitte Raffini, qui a donné le coup d'envoi de cette campagne en recevant sa première dose de vaccin. L'actualité de la semaine a aussi été marquée par le lancement le samedi 27 mars dernier à Niamey de la fondation Issoufou Mohamedou Fim, une fondation à travers laquelle le président de la République sortant, Issoufou Mohamedou, envisage d'œuvrer après son départ de la présidence de la République. Enfin, nous parlerons de cette fin de mandat du président sortant, Issoufou Mohamedou, marqué notamment par des vives contestations par euh, l'opposition des résultats définitifs euh, proclamés par la Cour constitutionnelle à travers euh, lesquels Mohamed Bazoum s'en sort vainqueur avec 55,66%. Et c'est dans cette atmosphère politique tendue que le gouvernement a annoncé une tentative de coup d'État déjouée. Pour euh, analyser tous ces sujets d'actualité, nous recevons dans ce studio Elhaji Mohamedou Souleyman, journaliste euh, au journal en ligne Niger Inter. Elhaji Mohamedou, bonsoir. Bonsoir Michel. Maïmouna Gado, journaliste euh, indépendante. Maïmouna, bonsoir. Bonsoir Michel. Et Hussein Issa, il est également journaliste euh, indépendant. Bonsoir Michel. Hussein, bonsoir. À la modération de ce forum euh, de la presse euh, de Studio Kalangou de ce soir, Michel Deji. Une fois de plus, euh, bonsoir si vous venez de nous rejoindre et merci de nous suivre à travers nos radios et télévisions partenaires. Débutons par cette euh, première euh, campagne de vaccination contre la maladie à coronavirus COVID-19 lancée le lundi 29 mars dernier à Niamey, dont le coup d'envoi a été donné par le Premier ministre sortant, Brigitte Raffini, en se faisant vacciner. Cette euh, première euh, étape euh, a possible. les agents de santé, les personnes âgées de plus de 60 ans, les forces de défense et de sécurité, les réfugiés, les migrants et les personnes ayant des risques de comorbidité avait annoncé Brigitte Raffini. Cette première phase de la campagne de vaccination contre la COVID-19 au Niger se déroulera du 29 mars au 4 avril 2021 sur l'ensemble du pays. Il faut rappeler que c'est avec les 400 000 doses de vaccins Sinopharm offertes par la Chine que le Niger a débuté cette première campagne de vaccination contre la COVID-19. Elagi Suleiman Mohamedou, que dire justement par rapport à cette première campagne de vaccination contre la COVID-19 au Niger Bon, euh, je pense que euh, c'est une très bonne chose. Euh, mais quand je vois 400 000 euh, doses euh, pour 200 euh, 000 personnes, parce que chaque personne a besoin de deux doses, mhm. une première et ensuite une seconde. Donc, vous voyez, c'est comme une goutte d'eau dans un océan pour plus de 21 millions d'habitants. Mhm. Donc vous voyez que certes, euh, c'est bon de, de, commencer, mais l'attente des Nigériens, mhm. maintenant aussi, l'annonce qui a été faite, les personnes cibles, mhm. est-ce que cela va être respecté Là aussi, je pense qu'il euh, faut être très vigilant euh, parce que je pense que il faut que ce soit vraiment on a considéré que ces personnes sont plus euh, exposées, par exemple, les, agences de, santé, les, FDS. Mm. Donc, il faut que, quand même, euh, être très vigilant, il faut qu'on vérifie véritablement est-ce que cela a été respecté. Je pense que c'est un point euh, très important. Mais bon, pour le moment, nous pensons que c'est une très bonne chose. Mm-hmm. Mais je pense qu'il va falloir donc chercher des moyens vous cherchez des partenaires à avoir parce que vous voyez, mhm. comme euh, vraiment je l'ai dit, euh, ça a suscité un espoir, mais on se demande euh, véritablement de 5000 personnes, vous voyez, c'est un peu quand même. mais bon, c'est toujours bon de commencer. Maintenant, aussi, l'autre élément, c'est qu'il y a trop de désinformation sur ce vaccin. Mhm. Donc, il faut aussi une bonne communication pour assurer les gens. Parce que j'ai comme l'impression, je vois des gens qui osent vraiment pour appeler les autres à le faire j'ai comme l'impression, c'est pas tout le monde qui. Parce qu'effectivement, quand on dit que c'est dangereux, et j'ai vu, par exemple, le jour que le ministre de la Santé par intérim avait annoncé euh, cette affaire, lui-même donne des numéros, il dit en, cas des, de, effets secondaires. Tout mhm. cela, effectivement, est de nature à faire en sorte que les gens soient réticents. Il ne faudrait pas que, justement, euh, compte parce que aussi ailleurs lui il tenait on à assurer c'était il disait s'il y a des effets très graves euh, puisque selon lui il n'y a pas d'effets secondaires graves En mais euh, aussi en écoutant ce que ce qui se dit ailleurs sur les autres vaccins parce que je pense mhm. que il qu'il y a une intoxication des nature à dire que ces euh, ces vaccins, par exemple, il y en a carrément qui disent que euh, le sang, ça, ça, ça, ça, perturbe en tout cas la circulation du sang. Bref, je pense que bon, c'est un problème de, de, communication qu'il faut, qu'il faut revoir. Mais euh, je dis que cette affaire-là de, de, de, vaccin pour la, pour la COVID, euh, je vois certaines personnes qui affichent en tout cas qui sont vaccinées. Je me pose la question comment, parce que le, statut qui a été vraiment révélé, mhm ceux qui sont prioritaires en tout cas. Les cibles. Certaines personnes que je vois, franchement, je pose la question, ils font partie de quelles de de cible. Voilà pourquoi non seulement nous en tant que médias, en tant que aussi tous ceux qui sont en tout cas de contrôler, mhm. il nous faut ouvrir les yeux véritablement. Il ne faut pas que ce soit vraiment euh, une arnaque euh, parce que euh, on a dit voilà, c'est les, enseignants, c'est les FDS, c'est les agents de santé qui sont prioritaires. Donc il faudra effectivement que les gens pour des relations autres puissent vraiment influencer euh, les choses. Et dans, dans, dans nos pays, cela peut arriver. Donc, il faudrait vraiment qu'on soit vigilant sur cet aspect des, choses, je crois. Merci beaucoup, on vous a bien compris. Toujours euh, lundi dernier, le Premier ministre sortant, Brigitte Raffini, il faut le rappeler justement, avait assuré que les effets secondaires de ce vaccin sont largement mineurs et que les personnes vaccinées doivent recevoir une deuxième dose quatre semaines plus tard. Maïmoune Gado, quelle doit être la contribution des populations pour un bon déroulement de cette vaccination euh, La contribution de, la population, c'est vraiment, comme l'a dit euh, le Premier ministre, que je félicite ici pour... Euh, avoir été euh, vraiment euh, au devant donc euh, de cette lutte depuis l'arrivée de la pandémie annoncée ici au Niger, mmh. étant également le président du comité. Vous avez vu, il a fait le lancement. Il est parti, il s'est fait vacciner. Mmh. Et il a également, devant les micros, et il a dit, il a révélé qu'il a été atteint également de Covid-19 et que vraiment c'est une maladie très dangereuse. Mhm. Pour ceux jusqu'à présent qui ne croient pas à cette maladie, c'est le moment de croire à cette maladie. Donc il a tellement invité, insisté à la population d'aller se faire vacciner. Mhm. Et comme l'a dit euh, Alagi, il faut tenir compte de ces personnes, de ces catégories de personnes citées. Ça veut dire que pourquoi on tient tellement à ce que ce soit ces gens-là, ces personnes-là d'abord Parce que ce sont des personnes qui sont en contact direct avec la maladie, avec les personnes atteintes de mmh. cette maladie. Donc il faut d'abord que les 400 doses soient d'abord bénéfiques à l'endroit de ces gens-là. C'est vrai, il y a eu 400 000 doses qui avaient été offertes par la Chine. Voilà. Le 29 euh, mars dernier, on a pris également qu'il y a eu 25 000 euh, euh, doses de, vaccins vaccin, AstraZeneca qui avaient été également offertes par l'Inde. Mhm. Donc, nous supposons que il faut d'abord vacciner ces cibles-là. Mhm. Ensuite, peut-être faire des sensibilisations, parce que jusqu'à présent, la population est résistante et réticente par rapport justement à ça. Il y a mhm. ceux qui croient, ceux qui ne croient pas. Il y a, bon, on ne peut pas dire à tout le monde de croire, on ne peut pas dire à tout le monde de regarder la même chose que moi, par exemple, je regarde. Mais il y a, par exemple, en faisant certaines sensibilisations, parce que c'est les effets secondaires qui font en sorte que ces populations refusent d'aller vers ces centres-là pour se faire euh, mhm. euh, injecter euh, le sérum. Et je me dis qu'avec la communication, avec l'implication des médias, mhm. ça peut résoudre le problème. Mhm. Merci à vous, Maïmoun Diado. L'Organisation mondiale de la santé, Gavi, l'Alliance mondiale du vaccin, organisme international au partenariat public-privé et la coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies ont mis en place un dispositif. Il s'agit de la COVAX pour fournir euh, en 2021 au moins 2 milliards de doses de vaccins pour l'ensemble de la planète. Nissa, que peuvent faire les pays dits défavorisés pour faire face à cette euh, pandémie en attendant la disponibilité en nombre suffisant des vaccins Michel, peut faire Voilà Brigitte qui va aller se faire vacciner grâce à un don chinois. Le décor est campé. Ces deux 400 000 doses de vaccins là ça va d'abord bénéficier à ceux qui sont placés. C'est bien beau de dire qu'on a mhm. ouvert des centres pour demander aux gens d'aller se faire vacciner. Mhm. Mais est-ce que on se donne nous-mêmes les moyens d'acquérir ce vaccin-là. Il faut qu'on attende qu'un autre pays, dans, une, eh, dans un contexte de pandémie, que des pays décident de nous donner des vaccins. On en avait parlé, il était question que le Niger même se mette dans la logique de pouvoir acquérir. On est tout le temps dans ce même schéma-là. Malheureusement, hein, malheureusement. Malheureusement, on a ciblé. On dit c'est les, personnes âgées, les personnes qui présentent, euh, comment dirais des, des risques. Voilà. Mhm. On dit c'est l'effort de défense de sécurité, on dit c'est les agents de santé, n'est-ce pas mhm. Ok, d'accord. Bon, l'agent de santé, s'il a des membres de la famille, là, il va les amener. Il ne va pas se faire vacciner. en fait, je pense que le nombre n'est pas suffisant, s'il te plaît, c'est une stratégie. S'il te plaît, mhm. tu vas aller te faire vacciner pendant que tes enfants, ta femme, eux sont exposés. Mhm. Alors que tu as la possibilité de les amener pour se faire vacciner, ça veut dire qu'à ce niveau, déjà, ça va être faussé. Mhm. On voit quand il y a les épidémies de méningite, comment les choses se passent le plus souvent. Les gens qui bénéficient du vaccin, c'est que c'est des gens qui sont dans le dispositif, dans le système et tout et tout. Ce sont les premiers à être servis. Mhm. On ne va pas amener ça à Geshemé ou, je ne sais pas moi, ont corrigé ou quelque chose comme ça. On sert d'abord les gens qui sont là, qui décident, qui savent à quel moment ça va se passer, qui ont une certaine influence. Voilà un peu toute la problématique. Maintenant, quand l'AMS dit on va mettre à la disposition 2 milliards au pays, ça va arriver quand hein? Quand est-ce que ça va arriver Heureusement, nous sommes dans un pays où, quelque part, je me dis, cette pandémie-là, cette maladie-là, je ne pense pas. Ça a des effets. Il y a eu des cas et tout et tout, des gens sont morts. Mais on a plus de résistance quelque part, j'imagine, que les autres pays. Sinon, sinon si réellement la manière dont ça se vit dans les pays occidentaux là. Si c'est de, cette manière là que ça, nous on n'avait pas peut-être quelque chose qui fait que nous sommes résistants avec tout ce qui se passe à Djamaji, Wadata, machin, mhm. sans masque, sans, sans rien, une partie de la population, en tout cas. Ça, c'est les, les, marchés de Niamey les hein, mhm. et Kogar. Mais j'ai dit quelque chose, c'est qu'il faut qu'on s'organise à notre niveau, en tant que pays indépendant, pour pouvoir se en tout cas, comment dire, acquérir le vaccin mhm. pour pouvoir mettre ça à la disposition de tout le monde. Regardez, même quand c'est la méningite qui arrive, il faut que d'autres pays viennent en aide pour nous donner les vaccins. Est-ce que ça, c'est normal mhm. On fait 22 millions d'habitants. 22 millions. Si on doit attendre que les gens nous donnent pour 22 millions, alors qu'eux-mêmes, ils ont des difficultés pour s'approvisionner, ça va être compliqué. Par rapport aux chiffres, il faut rappeler qu'à la date du 31 mars 2021, euh, 18 nouveaux cas positifs ont été notifiés au Niger. Au total, euh, l'on a enregistré à cette même date euh, au Niger 5021 cas positifs, 4641 guéris, 187 décès et 193 actifs. 56 étaient en hospitalisation, dont aucun en réanimation. Je vous le rappelais également à l'entame de ce forum de la presse, le président sortant Issoufou Mohamedou a présenté samedi dernier à Niamey son projet de création d'un cadre de réflexion et d'action dénommé Fondation Issoufou Mohamedou, une fondation en faveur de la paix, de l'éducation, de la santé, de l'environnement, de l'eau, mais aussi du panafricanisme. Hussein quelle analyse vous inspire la création d'une telle structure par Issoufou Mohamedou je veux commencer par dire que c'est la première fois qu'un président sortant, en tout cas, crée une fondation. Mhm. Et je pense que pratiquement tous les secteurs qu'il compte, dans lesquels il compte. Il y a eu la fondation de Salou Jubo aussi. Non, il n'était pas président de la République. C'est allé où oh. Il était chef d'État. S'il vous mhm. plaît, s'il vous plaît. <laughs> C'est bien beau. Fondation Salou depuis lors, qui a entendu encore parler de cette fondation Ils ont mm. posé quel acte Non, c'est juste cette pour dire, fondation, Cette fondation qui vient mm-hmm. d'être créée, en tout cas, ce n'est pas encore créé, c'est juste la présentation, je crois, ce que j'ai cru entendre. Mm-hmm. C'est juste pour présenter. Mais maintenant, c'est que c'est un peu en lien avec euh, le fonds là qu'il a reçu. Mm-hmm. Moi, Ibrahim. Moi, Ibrahim, parce que je crois que ce ce philanthrope-là, quand il donne l'argent, il dit qu'il faut créer une fondation. Mhm. Maintenant, je me dis, bon, ça va être une concurrence avec ces deux dames. Parce que, oui, bien sûr. Ah, mais elles ont chacune des fondations. Maintenant, Il y a des anciennes premières dames qui avaient leur fondation, mais ça a disparu après. après, oui. Est-ce que les fondations mm, des, deux premières dames vont continuer, les deux premières dames Moi, j'ai dit, mhm. il a 10 ans durant, tous ces secteurs-là, c'est des secteurs quand même qui sont directement sous la coupe de l'État. Ce qu'il a pu faire en 10 ans, il a pu le faire. <laughs> Maintenant, est-ce que c'est à travers une fondation que ce qui n'a pas pu être fait pourrait être fait pendant combien d'années en fonction de quel financement D'accord, l'argent de Mo Ibrahim, c'est 5 milliards de dollars, n'est-ce pas Ça peut tenir combien d'États parce que moi, à mon sens, quand j'entends parler de fondations, les fondations, c'est généralement les gens qui ont des sociétés, des grosses entreprises qui génèrent beaucoup d'argent, comme les Bill Gates et autres, qui gagnent beaucoup d'argent et qui décident d'investir une partie de ce qu'ils gagnent. Vous pensez donc qu'il n'y aura pas de plus-value Hey, hey, s'il te plaît, plus-value. L'État est là. L'État doit mettre en œuvre les secteurs de l'environnement, de la santé, promotion de la démocratie et tout et tout. Il a digéré 10 ans durant. 10 ans durant, il a fait ce qu'il a pu faire, comme je viens de le dire. Mais la plus-value, c'est d'abord l'État qui doit montrer ça. La plus-value, c'est d'écrire les conditions pour qu'au niveau étatique même, les choses se passent normalement, dans le cadre de la gestion de ces secteurs-là. Quand on voit un peu comment l'environnement est dégradé, quand on voit un peu comment on se pose des questions. C'est une fondation qui peut régler ces problèmes Ce n'est pas une fondation. Une fondation, c'est juste des appuis ponctuels, des interventions ponctuelles. Mhm. Ce n'est pas des interventions à l'échelle nationale où il faut, dans tel secteur, il faut faire telle chose, il faut faire telle chose. Est-ce qu'il faut... faudra au moins contribuer Mais c'est toujours une contribution. Même si c'est différent que tu donnes à quelqu'un, mhm. tu as contribué, non mais ça ne veut pas dire que ça va régler le problème. C'est à l'État de régler toutes ces questions-là, c'est à l'État. Donc c'est une goutte d'eau dans un océan, on peut bien, dire. Mais bien sûr que c'est une goutte d'eau dans un océan. Mais, dans tous les cas, le problème qui va se poser, bon, ok, d'accord. La fondation, on sait en fait dans nos pays comment les fondations fonctionnent. Hein. Tout à l'heure, tu viens de le dire. Je suis au pouvoir, mesdames crient des fondations. Le jour où je ne suis plus au pouvoir, les activités les activités s'arrêtent. Mais lui, il a, précisé que c'est pour préparer sa vie après le pouvoir. Ça veut dire qu'il a été un peu conscient et il a clairement défini. Oui, il ne veut, pas, veut pas aller se coucher, n'est-ce pas C'est ça, il ne veut pas aller se coucher, se reposer. Il considère qu'il peut continuer à œuvrer dans des secteurs bien déterminés. Mais moi, je dis quelque part, c'est à l'État. Les fondations ne font qu'accompagner. Je mhm. ne C'est pas, c'est l'État, hein, c'est des missions Régaliens de l'État, Régaliens de l'État. Merci beaucoup, c'est bien compris. Hussein Issa Maïmoun Gado, que peuvent alors espérer les populations africaines en général et nigériennes euh, en particulier de cette nouvelle fondation, puisque le président de la République sortant l'a bien précisé, c'est pour le Niger, mais également pour l'Afrique. Bon, c'est pour le Niger et c'est pour l'Afrique. Je me dis que d'abord, il a eu l'initiative de créer la fondation. Mhm. Il l'a présenté à tout le monde. Tout le monde a entendu ce qu'il veut faire de cette fondation. Maintenant, c'est un ancien chef d'État. Il ne se voit pas être euh, à, la touche du fonctionnement peut-être du développement du Niger. Il veut toujours être à côté de ces populations nigériennes, mmh. peut-être pour leur apporter l'appui peut-être qu'il n'a pas pu au moment où il était aux commandes, mm. euh, il y a certaines choses qui l'ont peut-être échappé et que maintenant, avec la création de cette fondation, il pourra peut-être euh, se recorriger de l'autre côté et euh, apporter un certain soutien, que ce soit de l'éducation, que ce soit la santé, comme il l'a dit, que ce soit au niveau de l'eau, l'assainissement et tout. Et je me dis que c'est bien réfléchi, mm. c'est bien réfléchi, mais il est trop tôt aujourd'hui euh, pour euh, qu'on puisse parler de ça. Il faut mhm. laisser d'abord Il faut le voir à l'œuvre pour mhm. pouvoir apprécier réellement euh, cette fondation. Mhm. Donc, comme l'a dit, il y a eu une fondation, la fondation Salou C'est vrai, la fondation Salou a été créée, mais personne aujourd'hui n'en parle de cette fondation. Même le concerné, même n'en parle pas de cette fondation. Personne n'a vu d'abord cette fondation, ce que cette fondation a pu faire pour le Niger. Mais quand même, espérons que cette fondation qui vient d'être créée par le président Issoufou mhm. soit vraiment différente de l'autre fondation mhm. et que, comme il l'a dit, il va continuer à œuvrer pour les populations nigériennes et au-delà, euh, l'Afrique. Donc espérons mhm. pour le Sahel aussi. Autrement dit, que donc, cette fondation soit bénéfique, euh, soit bénéfique à, la, population, comme il l'a dit, et, et à côté de la population, l'Afrique tout entière. Merci beaucoup, Elagi Suleiman Mohamedou. Certains observateurs ont vu d'un mauvais œil euh, le fait que le président sortant, Soufou Mohamedou, n'ait pas attendu carrément la fin de son mandat pour officiellement présenter cette fondation qui reste encore euh, un projet, faut-il le préciser. Mais en gagnerait-il moins s'il le fait après l'investiture du nouveau président élu, Mohamed Bazoum euh, euh, je dois préciser que, contrairement à ce que Hussein dit, Issou n'a pas attendu le primo Ibrahim pour annoncer qu'il allait créer sa fondation. En réalité, il y a quelque chose d'inédit mhm. dans cette conception. Euh, les fondations qui marchent, c'est des fondations qui sont incarnées par des gens qui incarnent certaines valeurs. Mhm. Et contrairement à ce que les gens pensent ici localement, mhm. Il est vu comme un grand leader, quelqu'un qui incarne des valeurs. Vous voyez par exemple, Salou Joubo, c'est un poutiste. Mhm. Les poutistes ne sont pas des modèles. Un ancien poutiste Absolument un ancien poutiste. Actuellement, il a une nouvelle donc, personne au monde mhm. ne peut faire la promotion d'un poutiste. Mhm. Donc, vous voyez, en réalité, c'est des valeurs qui incarnent, qui sont les, ceux qui créent la fondation, portent ces valeurs. Et vous voyez, le thème que avait ciblé, c'est la sécurité, Mhm. C'est l'éducation, c'est l'environnement, c'est le, absolument, la démocratie. La démocratie aussi. C'est des valeurs. Moi, je pense que mhm. ne pas être euh, nihiliste, il faut voir que c'est une innovation, un moyen, un cadre créé de mhm. réflexion pour aussi mobiliser les moyens qui vont venir en appui à l'État, mais aussi de booster la diplomatie de notre pays. Parce que tout simplement. Il pourra bien le faire euh, avec cette fondation, déjà, par exemple, déjà, par exemple, la diplomatie absolument, du pays. Absolument. Mhm. Déjà, rien que euh, la fondation est bien lancée parce que rien qu'avec le primo Ibrahim, il a dit que ça va être consacré au fonctionnement de la, de la fondation. Donc, euh, maintenant qu'il l'ait fait pendant que le président, effectivement, c'est critiqué, mhm. mais dans tous les cas, c'est c'était une présentation euh, je pense que en réalité, quand on comprend la philosophie, mhm. il faut être proactif. Moi, je ne pense pas que c'est négatif. Mhm. Parce que tout simplement, cela, on va juger en fait après. parce mhm. euh, que en fait, il ne l'a pas fait pour lui-même. Mais on l'a dit, ça pourrait être justement une occasion. Euh, en tout cas, par, exemple, je pense que ça doit aussi inspirer les d'État africains. Par exemple, quelqu'un comme Momo Ousmane aurait pu penser à cela ne l'a pas fait. je pense que chaque leader a, ses projets et certains ne disent pas leurs projets. Donc on va euh, éviter <laughs> peut-être euh, de coller des étiquettes à des leaders. Je veux dire qu'en fait, euh, de mhm. façon sans citer de, des noms, mhm. je veux dire que mhm. si effectivement les chefs d'État peuvent avoir cette vision, je quitte le pouvoir, je peux faire autre chose, effectivement, ça peut permettre aux gens de ne pas vouloir rester éternellement au pouvoir. Donc il y a dans ce truc-là euh, à mon sens, euh, il ne faut pas vraiment. Je sais que c'est inédit. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Mais tout simplement, moi, je sais que la fondation Issou Mohamed ne pas être en tout cas une fondation de plus. La question des fondations de ces femmes, je pense que les fondations, sont connues. Il y a eu d'autres fondations des premières dames. Dès que le pouvoir cesse, ces fondations-là, ici ou ailleurs, elles cessent normalement. Maintenant, peut-être qu'elles peuvent travailler avec euh, les valeurs qu'elles portent si c'est la santé euh, ou le, je veux dire, euh, ce qu'elle travaille, elle peut peut-être euh, trouver un cadre à travers cette fondation, en tout cas, pour pouvoir continuer avec leur euh, donc euh, Marie, en tout cas, a évolué dans le même sens. Mais je pense euh, qu'il n'y a, pas de confusion de rôle. Vous pensez Merci beaucoup. C'est pour rappeler juste l'article 55, alinéa 2. Laisse-moi L'article qui avait Moi, été... je, ne suis pas, je ne suis pas en train de faire du nihilisme pour dire que ce n'est pas une bonne chose. Ce que je viens de dire, ce que je viens de dire, de fondation, quand on lance une fondation, tu peux me dire ceux qui ont lancé la fondation Hirondelle, c'était après la guerre euh, Ok. ça dure depuis combien de temps 25 ans. Ça dure depuis combien de temps mhm. N'est-ce pas Je veux dire, c'est la pérennisation. C'est bien beau de dire, bon, j'écris. Mais les fondations d'habitude, les il faut créer les conditions pour Il faut que, tu sois dans la disposition de pouvoir continuer à œuvrer. Mhm. Maintenant, si c'est pour créer, pour capter les ressources publiques et faire fonctionner la chose, moi, j'ai dit, je compte, c'est à l'État de mettre en œuvre. Mhm. Ce n'est pas à une personne. Si vous avez vos propres ressources, vous pouvez décider de mettre ça, d'investir ça dans tel secteur, dans tel secteur, dans tel secteur. C'est la durabilité. Mhm. On a vu les fondations se créer dans ce pays. Quand les épouses sont au pouvoir, le jour où le pouvoir, il n'y a plus de fondation, on n'entend plus. Normalement, ça doit pouvoir continuer. C'est pour ça qu'on l'appelle fondation. Mm-hmm. Il faut que les choses soient très bien claires. Merci Ousseini, on vous a compris. La gestion, le développement d'un pays, c'est d'abord l'État, mm-hmm. le gouvernement. Maintenant, des gens peuvent venir en appui. Mm-hmm. C'est ça, il faut que les choses soient claires. Il faut que l'État joue donc pleinement son rôle régalien et comprendre qu'une fondation, c'est Une fondation ça n'engage pas l'État. Par rapport au mandat du président, il faut justement rappeler que l'article 55, alinéa 2, de la Constitution précise que pendant la durée de son mandat, le président de la République ne peut être président ou membre de l'organe dirigeant d'un parti politique ou de toute association nationale. C'est donc un dossier qui va être fait pour être transmis au niveau du ministère de l'Intérieur. Ce sera donc euh, le 5 avril prochain, avait justement annoncé le président de la République. Parlons de l'investiture euh, à présent du nouveau président élu, Bazou Mohamed, qui intervient dans un contexte euh, politique euh, marqué par des vives contestations par l'opposition des résultats définitifs proclamés par la Cour constitutionnelle. Maman Ousmane, le président du RDR Tchangi, a d'ailleurs appelé à des marches citoyennes pacifiques partout dans le pays à partir de la date du 30 mars 2021 il a par ailleurs indiqué que, je le cite, ces manifestations seront poursuivies sans arrêt jusqu'à la reconnaissance des vrais résultats sortis des urnes consacrant la victoire du changement et la libération sans condition de tous les prisonniers politiques arbitrairement détenus. Fin de citation à Niamey, la capitale, la première manifestation qu'envisageait d'organiser l'opposition politique à la suite de cet appel de Mohamed Ousmane le mercredi 31 mars dernier a été interdite par les autorités en charge de la ville de Niamey. Elle agit Souleymane Mohamedou. Quels en sont les motifs euh, L'arrêté du délégué spécial, cette fois-ci, a particulièrement bien motivé son arrêt d'introduction, parce qu'effectivement, on ne peut pas manifester pour contester euh, un arrêt d'une juridiction, particulièrement la Cour C'était le premier motif. Ça, c'est un motif très important. Mhm. Donc, euh, cette fois-ci, on envoie ça sur un juge de référé je suis sûr que lui, il sait ce que ça veut dire. ne va pas donner suite à ce, mouvement. C'est vrai, la loi vous ne sur les manifestations autorise les manifestations à condition qu'elles soient déclarées. Mais la loi parle d'une décision de l'autorité publique. Et là, le maire euh, central ou l'autorité en charge de la ville précise que c'est une décision de justice qui est là. Et que de ce fait, on ne peut pas marcher pour, protester contre cette décision. Mais disons que mhm. euh, l'autre hiatus, y même dans la démarche de l'opposition, Ousmane a appelé mhm. créer manif euh, le mardi sur l'ensemble du territoire national. Niami mhm. euh, Niamey a dit que nous, on reporte le 31. Mais, ce qui est curieux, aucune région du pays, on n'a pas vu où, en tout cas, les gens sont sortis manifester. Je n'ai pas vu, moi, en tout cas. Même sur les réseaux sociaux, je n'ai pas vu. Donc, c'est un camouflet euh, pour le président Ousmane euh, Maintenant, euh, la manif de Niamey, entre-temps, il s'est passé des choses. Mais je dis, en termes de démarche, lorsqu'on peut être amené à ne pas respecter les règles du jeu, c'est une régression démocratique. J'avais pensé que Momo Ousmane, malgré sa posture de se autoproclamer, mais lorsque la Cour constitutionnelle euh, donne son arrêt, <coughs> il n'y a rien à faire. Son avocat a fait le recours, mais le juriste euh, sérieux, même pas le juriste, tout le temps on nous dit qu'il n'y a pas de recours aux arrêts de la Cour constitutionnelle, et particulièrement dans son domaine, c'est le juge électoral. Mm-hmm. Ils sont habilités, ils sont compétents à juger, ils ont jugé tout le monde est lié. L'aventure de Maître Lerwana, en tout cas, qui a donné à Maman cette idée, en tout cas, de faire la rétractation, ça n'existe pas au niveau de la, devant la Cour constitutionnelle. Ça n'existe pas. Le juriste sérieux, ce qu'il parle, c'est une confusion qu'il fait, c'est une défiance. À partir du moment où, lorsque Maman s'est autoproclamé la procédure de la CENI, il a déjà glissé, mais lorsque effectivement il est venu contester l'arrêt de la Cour en appelant une désobéissance civile parce que ce qu'elle a fait, ça s'appelle désobéissance civile. Il n'est plus de la République. Il avait appelé à manifester. et que Il y a eu quand même, euh, je pense, euh, un courrier qui avait été adressé et c'est à cause de ça que ça a été interdit. Oui, oh, mais ça n'a pas un autre nom. Il a dit tout simplement qu'il n'est pas d'accord avec ce que la, Cour a fait. Et il a dit, il demande aux gens, là, me demandé au FDS, au corps constitué, de ne pas obéir donc, au, pouvoir illégitime. Donc, ça ne pas un autre, il n'y a pas d'euphémisme. C'est ce que ça veut dire. Merci à vous, Elhaji Souleymane Mohamedou. C'est vrai, dans euh, l'arrêté d'interdiction, on parle de cette décision de la Cour constitutionnelle qu'il faut respecter. Il y a d'autres euh, motifs euh, tels que cet arrêté qui dit qu'on ne doit pas marcher les jours ouvrables et en soirée. Il faut donc les week-ends. Il y a la question de l'état d'urgence sanitaire en vigueur, donc Corona virus. Il y a également le motif de trouble à l'ordre public. C'est tout cela donc qui avait été brandi par les autorités à chai de la ville de Niamey. Au Sénissa, y a-t-il une autre alternative à l'opposition politique que celle de se soumettre aux résultats définitifs proclamés par la Cour constitutionnelle, seule juridiction compétente en la matière en République du Niger mais, <laughs> Je ne sais pas, Michel, quelle alternative à partir du moment où la manifestation pacifique ça fait partie d'une disposition constitutionnelle. Depuis pratiquement dix ans, que ce soit la société civile, que ce soit les partis politiques de l'opposition, personne n'arrive à manifester. Parce que les gens ont vite fait d'inventer des choses. Moi, je lis en connaissant de cause parce que j'ai lutté, j'ai milité longtemps quand eux, ils étaient au pouvoir et à l'opposition. Mmh. Je sais de quoi je parle. La question de. Solimpente vient de parler de désobéissance civile. À l'époque, on a entendu des propos très graves. Maman Souman, qu'est-ce qu'il dit Il a introduit des euh, réponses. Mohamed était chef de file de l'opposition. De l'opposition, je, je, sais de quoi je parle. Bien sûr, maintenant. Parce qu'à l'époque, encore, j'étais dans un journal qui était très, très, très proche. Il y a donc des journaux proches. Non, <laughs> oui, et je sais de quoi je parle. Alors, <laughs> Aujourd'hui, qu'on mette fin à ce que les gens ont connu par le passé. Parce que c'est quoi Une marche pacifique. Qu'on dise trouble la l'ordre publique, Quand même, ce pas des enfants. C'est des gens responsables. Ils peuvent encadrer. Que ce soit l'opposition, que ce soit la société civile. Ne me pensez pas, avant que vous ne soyez au pouvoir, ils étaient au pouvoir. Ils savent ce quoi le pouvoir. Mais le fait systématique de dire, voilà, parce que tout simplement, Maman Ousmane, de quoi s'est-il plaint Il dit que les recours n'ont pas été examinés. Une cour est appelée à examiner. N'est-ce pas C'est ce qu'il a dit, lui. C'est ce qu'il a dit, il, a argumenté, il a expliqué et tout et mhm. tout. Mais alors, s'il vous plaît, alors toutes les voies sont fermées. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire alors Mais euh, qu'est-ce qu'ils peuvent faire Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire Ils sont restés dans Il dit qu'il veut rester dans la légalité pour mener la lutte. Mhm. Mais maintenant, les voies légales, c'est quoi C'est la justice. Mhm. Maintenant, quand tu vas vers la justice et que la justice se trouve dans une posture où, avec les recours et tout et tout, parce qu'il dit que ça n'a pas été examiné. Voilà un peu ce qu'il a durci. Mhm. Tout le monde le sait, il n'a pas fait mystère de ça. Maintenant, qu'on cherche à le vilipender, que non, non, on organise les choses normalement en matière démocratique. Moi, j'ai dit, si on veut que les choses se passent tranquillement. Maman Souman n'a jamais contesté, protesté depuis qu'il a été, il a été débarqué en 95, 96 plutôt. Le voilà, il a été mis d'abord en minorité quand j'entends les gens dire. Autant de live, c'est ah, quand j'entends en cohabitation, ceci, cela, on a peur. Il a été mis en cohabitation lui, Maman Souman. Il a admis, il a accepté. On, les gens viennent, Pensez que non, non, non, ils vont réinventer l'histoire. L'histoire de ce processus-là. Moi, je sais que je connais quelque chose autour de Merci beaucoup, Maïmoun Gado, avec ces interdictions systématiques, comme ça a été dit, des manifestations, un droit pourtant consacré par la Constitution nigérienne. Faut-il penser que désormais, l'époque où des manifestations étaient autorisées est révolue ah, c'est révolu, c'est révolu. Parce que moi, j'avais bien voulu qu'on les laisse ne serait-ce qu'une seule fois marcher. Parce que c'est un droit. Mhm. J'avais bien voulu au moment où ils contestaient. ça veut dire à l'heure actuelle, ça va être très difficile. Ça va être très même cette seule fois. Même cette seule fois, ça sera difficile. Merci beaucoup. On va passer donc au dernier sujet avant de clore euh, ce forum. C'est dans cette euh, atmosphère euh, politique tendue que le gouvernement a annoncé mercredi dernier une tentative de coup d'État déjouée dans la nuit du 30 au 31 mars 2021 une euh, enquête est ouverte et d'ores et déjà, plusieurs personnes alliées avec cette tentative de coup d'État sont interpellées et d'autres activement recherchées, à laisser entendre le porte-parole du gouvernement, Zakaria Abdurrahman. C'était dans un communiqué lu devant la presse sans plus de détails sur le nombre ainsi que l'identité des personnes interpellées. Elage Souleymane Mohamedou une tentative de putsch à 48 heures de l'investiture du nouveau président de la République du Niger alors que certains citoyens dénoncent cet acte comme étant contraire à la démocratie dans un état de droit. D'autres mettent du doute dans leurs réactions, lisibles notamment sur les réseaux sociaux, pour aller jusqu'à parler de diversion. À votre niveau, de quel autre élément d'information disposez-vous sur cette affaire très rapidement Ce n'est pas le premier euh, putsch qui a été annoncé où les gens ont, les gens ont douté. C'est mais, 2015. Mais moi, quand je considère euh, le contexte dans lequel nous, avons, nous sommes en tout cas en train de voler mhm. euh, nous sommes dans ce pays, on suit tout ce qui se passe, euh, on n'est pas surpris. Parce mhm. que les gens, à travers les réseaux sociaux, ils ont toujours menacé. Les leaders politiques, à travers réseaux sociaux, ils ont annoncé en réalité tout simplement euh, le put allait venir effectivement mettre de l'ordre euh, donc, euh, après la Chili qui, Vous faites euh, un lien étroit avec la, la situation sociopolitique du ah, pays. Mais, absolument. Dans le discours des autres, il y a même tout simplement aujourd'hui, on peut. C'est ce que vous en pensez. Des captures d'écran des ou mhm. des internautes, des activistes annoncent effectivement des, choses comme ça. Et la nuit de l'événement, le 31, mhm. pendant que l'événement se passait, il y a des internautes qui donnent des informations précises que même le coup d'État, même le RTN a été. En fait, voilà, euh, on a vu ça, on a vécu cela. Mhm. Donc, tout simplement, euh, à ce moment, les gens ont montré qu'un coup d'État est en train de s'opérer. Mais maintenant, ça a été du on tient un autre discours pour dire que non, c'est une imagination, une invention du président Issoufou qui est venu donc en fait se faire bombarder le, palais pour réveiller les gens. Bref, moi je me dis que euh, je, pense que il y a des de, de, de jeux qu'on ne peut pas se permettre. Et c'est tellement grave que c'est une affaire qui engage, euh, euh, donc je pense, les forces de et de sécurité. Nous l'avons dit, l'affaire en ce moment, elle est en train d'investigation et en principe, L'avenir donc va dans, quelques jours en tout cas. On peut savoir davantage. Vous avez dit qu'il y a eu des noms. Justement, il y a eu des noms sur les réseaux sociaux. C'est le communiqué officiel qui avait été lu par le porte-parole du gouvernement, qui ne porte pas ces noms. Merci. Je, suis journaliste. Oui, tout à fait. C'est ça, je dis. qu'il y a le, le qui est connu mieux aujourd'hui. Je sais que j'ai ah, eu l'information qu'il y a 15 militaires qui sont arrêtés. Bien sûr. Donc, on va savoir davantage. Mhm. Merci beaucoup, Elage Souleymane Mohamedou. Hussein comment analysez-vous cette nouvelle affaire de tentative de coup d'État déjouée au Niger en quelques secondes. Oh, je n'ai pas d'analyse à faire. Je constate simplement que ça fait trois, trois coups d'État pratiquement. Et à chaque fois, à des moments précis donnés, on nous sort ce genre de choses. Celle de la nuit du 30 au 31, il y a eu des tirs nourris. ça a réveillé des gens. Regarde, nos tirs nourris, tout ça. Moi, le Pogba a promis enquête ouverte, n'est-ce pas mhm. On va voir ce que ça va donner. Mais ce que les gens veulent, c'est qu'il faut qu'on dise l'enquête là, ça abouti à quoi mm. Parce que dans tous les cas, chaque fois qu'on dit il y a enquête là, jusqu'ici, même quand on tue des pauvres paysans en brousse, on parle d'enquête. Mais jamais on est sorti dire voilà ce qui s'est passé. C'est de mm-hmm. ça que les gens ont Il a dit qu'il y a déjà des éléments. Non, des éléments. C'est bien beau. dans, le feu de l'action, mm-hmm. tout le temps, on dit il y a des cela. N'est-ce pas Pour créditer un peu la thèse qu'effectivement, ce dont ils ont parlé, c'est ça. Mais maintenant, c'est que les gens veulent. Ce qu'au bout du compte, qu'on dise aux gens qui est qui. Ce que les indices ont révélé. Non, Merci. Michel, Michel, je suis en train de te dire. Mhm. Ça, fait ça fait pratiquement depuis, même par rapport aux attaques, on nous dit qu'il y a enquête. Mais au bout du compte, au bout du compte, est-ce qu'on informe les citoyens Les gens ont besoin de savoir mhm. exactement qu'est-ce qui s'est passé. Merci à vous. Maïmouna gardons un mot pour terminer, puisque nous sommes au euh, terme de Bon, moi, je ne peux pas dire grand-chose que ce qu'ils ont dit. Mhm. Euh, déjà, le communiqué du gouvernement, euh, tout le monde a pris connaissance du communiqué. Mhm. Nous attendons de voir l'enquête où ça va aboutir. Mhm. Et c'est en ce moment que nous pourrons dire, faire notre propre analyse par rapport à cette situation, Michel. Voilà, il faut donc laisser l'avenir, le temps, oui, le temps nous édifier. Merci à vous. Notons que l'investiture euh, du nouveau président de la République, euh, Bazoum Mohamed, a eu lieu ce vendredi matin en présence euh, d'illustres invités. Nous reviendrons en détail sur cette investiture dans le forum de la presse de la semaine prochaine. Sur ce, nous sommes au terme de ce forum de la presse de ce soir. Nous étions compagnie de Elhaj Mohamedou Suleiman, journaliste au journal en ligne Niger Inter, Maïmoun Gado, journaliste indépendante, et Hussein Issa, journaliste indépendant également. Nous disons merci à tous les trois d'avoir répondu à nos questions. Merci également à vous, chers auditeurs et téléspectateurs des 46 radios et des télévision partenaire de Studio Kalangu. C'était Michel Deji à la modération, Laolissa à la technique et Mustapha Ayouba à la régie vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et au revoir.